Non, lañ leen ëmbee juróom-ñeenti weer noonu lañ leen bëggee woon ci seen xol jigéenu Sénégal yi arrêtez de tuer nos enfants qu'on arrête de tuer nos enfants qui exercent leurs droits constitutionnels. Donc manifester droit constitutionnel c'est reconnu par la constitution du Sénégal ba ñu encore une fois wax Ken Musta Baumer autant de jeunes et d'enfants que depuis ces derniers mois et ces dernières années. Il faut que cela s'arrête, il faut que cela cesse. Lolo Macky Sall lañ koy wax na nga bëggee sa ñetti doom yoy nga jur ñooñu la xalé yi non la seeni wayjur non nous lañ leen bëggee won tay ñu boom leen ñi fi nekk di wax société civile ñom ñep la lutte contre l'impunité le la commencé ça va commencer là ça doit s'arrêter démb ñu dégg ci interview bu mu jotta def ne voilà eh and alors dénga mam su ngeen ñewul dialogué amna ño xamné ne ñu ngi fi ah dinañ ñëw jël le pouvoir lolu moy appel à coup d'état boy xol lolu ñepp comprendre mais lolu c'est c'est assez inqualifiable yow bañ lay jox nguur gi ci démocratie lañu jaar jox lako buñu la jaarale won fi ngay jaarale nit ñi kon do mësa dégg président ils viendront les politiciens on doit faire attention c'est toi vous qui devez faire attention monsieur le président de la république c'est vous qui devez faire attention le 2 avril ci la sa ay terminé li fi xew ko indi arrêté le processus démocratique à quelques heures de la campagne électorale heure bi bu ñu campagne électorale kon ñetti xalé yi génn manifester ba ñuy ñu cette décision mo indi li mo indi li nga xam mom moom la ñëpp di joy fi Sénégal c'est un pays démocratique démocratie lañu xam mëno ko mënoo fee génne démocratie c'est pas possible mëno génné démocratie fi la nga xam mom lañu lay laaj té mu leer moy nga organiser élection yi le 2 avril nga jël sa say bagage nga dem amut leneen loo xam ne lii moo fi war a mën a am votre mandat, Monsieur le Président de la République, vous le savez très bien, il se termine le 2 avril. Cette incitation subliminale, hein, si vous ne venez pas, si on ne dialogue pas, d'autres forces. Quelle autre force Il n'y a pas d'autres forces dans le jeu démocratique que les acteurs démocratiques qui sont régis par le code électoral, qui sont régis par la constitution, qui sont régis par la loi. C'est ce qu'on vous demande de respecter et rien d'autre vous devez organiser sans délai le 25 février l'élection présidentielle que vous avez arrêtée à quelques heures de la campagne électorale. Je considère pour moi, pour quelqu'un qui a été élu grâce à la démocratie sénégalaise, on vous aurait appliqué ce même régime, vous n'auriez jamais été président de la République. Cette démocratie sénégalaise, qu'aujourd'hui, vous estimiez que voilà, si on ne dialogue pas, des forces vont venir et puis nous rétablir. Un appel du pied à des forces qui n'ont rien à voir dans la démocratie, absolument rien à voir, et qui ne vous suivront pas. Parce que le Sénégal, la démocratie est ancrée dans nos valeurs. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est sans délai, sans délai, organiser l'élection le 25 février. Nous demandons aussi au Conseil constitutionnel nous avons fait un recours au Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs, vous êtes cinq Sénégalais aujourd'hui. Sachez que sept Sénégalais, sept, l'avenir de ce pays en quelque sorte est aujourd'hui entre vos mains. L'histoire vous a placé devant nous. C'est à vous d'entrer dans l'histoire ou c'est à vous de marcher et de montrer dos à l'histoire. Vous savez pertinemment que la loi qui a été votée pour le report et une loi anticonstitutionnelle. Nous avons fait recours. Si on veut que le Sénégal continue sa marche démocratique, mais rapportez cette loi qui est anticonstitutionnelle. Et nous retournerons normalement dans le processus électoral qui était entamé et qui n'aurait jamais dû être interrompu. que je wax dire. sénégalais.

ne avons un jour supplémentaire mais yooyu Macky Sall fi un seul jour supplémentaire kon conseil constitutionnel soxna yeeg a fa ne la guerre de pour l'idac, les xale yii di manifester te ñu am ci droit de manifester di manifester pacifiquement Nous ont eu tell bal ñuy ans 23 ans mais où est le poids dans quel pays

muy CPI muy justice képp koo xam ne boom nañ la la fi dans l'exercice de tes droits constitutionnels mais dinañ ko dinañ ko layoog yow dinañ ko layoog yoon kon cet appel qui a choqué le monde entier tout le monde a compris li nga bëggoon a wax su ngeen ñëwul dialogue armée day jël pouvoir loolu loolu la ñëpp comprendre loolu la ñëpp comprendre te yow nga jaar ci démocratie yow armée ñëwul teg la fi de ci suñu sénégalais ñu def ñu ñu yow fal la la nga processus démocratique bi nit ñi di manifester ñetti xalé ñetti xalé doomu Sénégal nga eh ben alors su ngeen ñewul bu discuter d'autres forces mais ces forces on a bien compris c'est un appel aussi que nous faisons à nos hommes de qui ont toujours été des démocrates